Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont relayés par 52 radios partenaires et 7 télévisions de l'ensemble du pays. Des programmes aussi disponibles sur notre site internet www.studiokalangu.org, notre page Facebook Studio Kalangu. Bienvenue dans ce forum qui a pour thème la prostitution des filles mineures à Niamey Comment mettre fin à cette pratique le phénomène de la prostitution des jeunes filles mineures prend de l'ampleur à travers la capitale. Selon les constats faits sur le terrain, dès la tombée de la nuit, les carrefours du centre-ville sont pris d'assaut par ces jeunes filles qui s'exposent à ce métier. Si avant cette profession relève de la catégorie des professionnels de sexe, aujourd'hui ce sont des petites filles qui s'affichent au vu et au su de tout le monde malgré les risques qu'ils encourent. Ainsi, pour un pays estimé à près de 24 millions d'habitants dont les enfants âgés de moins de 18 ans représentent 56% de la population selon le dernier recensement général de la population, la prostitution des filles mineures est devenue une préoccupation pour l'État et la société. Quels sont les facteurs qui favorisent la prostitution des filles mineures de la ville de Niamey quelles conséquences cette activité peut avoir sur la jeune fille et sur la société Comment lutter contre la prostitution des filles mineures Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Tanimou Ousseini, directeur de la communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Bonsoir à M. Tanimou. Eh, bonsoir. Fatouma Amadou, travailleuse sociale à l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention des crimes ANTD. Bonsoir, Madame Fatima. Bonsoir, Fatih, ça va Abou Medouka, vous êtes sociologue. Bonsoir, Abou Bonsoir, Fatima. Et maître Marie Malandouda, vous êtes parent. Bonsoir, maître Malandouda. Bonsoir, Anna. À la présentation, je suis Fatih Zakari. La prostitution constitue aujourd'hui un véritable problème social de la ville de Niamey. Elle se complique davantage avec la présence des filles mineures qui s'adonnent à cette pratique. Alors, euh, comment expliquer cela Je commence donc euh, par vous, euh, Abou Zed Medouka, vous êtes sociologue. Merci, madame, de nous donner cette euh, opportunité de nous prononcer sur cette question, sur ces phénomènes qui prend bien sûr de l'ampleur comme vous avez eu à le dire. Donc la procession des jeunes filles ou bien des filles mineures précisément, il euh, ne faut pas oublier que l'âge sur cette catégorie de marché, quelque chose qui renvoie à ce qu'on peut euh, qualifier de marque, euh, quelque chose qui renvoie à la qualité d'originalité par rapport à la question euh, corporelle ou bien au désir, au plaisir charnel. Je voudrais aussi revenir par rapport à la définition ou bien à Roger même de, de ce phénomène, à ce phénomène-là, effectivement, parce que c'est un objet social double. Non, il est double parce que c'est une pratique singulière qui articule en même temps la sexualité, mais aussi l'économique. Et beaucoup d'acteurs interviennent euh, dans ce domaine pour pouvoir, parce que c'est une pathologie, il faudrait la contraindre, il faudrait la maintenir, il faudrait apporter des solutions à ça. Maître Maria Malandouda, vous êtes donc parent. Alors, euh, quelles sont euh, les causes qui expliquent aujourd'hui la prostitution de ces filles mineures dans la ville de Niamey Merci madame. Avant de parler en tout cas des causes ou de quelque chose comme ça, mhm. nous allons aller avec en tout cas des définitions assez faciles, surtout comprises en tout cas par tout le monde. Alors, pour me lancer dans le vif du sujet, la prostitution, c'est en tout cas l'un des métiers les plus vieux du monde. Depuis que le monde est créé, il y a eu prostitution. Qui se prostitue dans un premier temps C'est en tout cas généralement les femmes libres. Une femme libre, c'est une femme qui vient d'être divorcée ou bien en tout cas qui n'a pas de mari. Et cette prostitution suppose quoi Une motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir dans cette affaire La femme prostituée doit s'attendre à une rémunération par rapport au travail qu'elle fait, avant ou après le travail, vous allez lui donner quelque chose. Mhm. Et elle, c'est une femme indépendante, c'est avec ça qu'elle, qu'elle, à euh, qu'elle loue maison, elle mange, ça devient sa profession. Nous, on les appelons parfois professionnels du sexe. Mhm. Le domaine important du thème actuel, mhm. madame, c'est en effet pas tellement, excusez-moi, pas tellement la prostitution, des jeunes filles, mhm. mais moi je veux mettre ça dans le système éducatif qui est la délinquance juvénile. Nous avons des délinquants juvéniles qui en tout cas ne font pas cela pas forcément pour l'argent. Pour l'argent, vous savez. Mhm. Et c'est une forme d'éducation raté, éducation boiteuse. Et c'est ça qui concerne aujourd'hui nos jeunes filles. Parce que l'éducation, le système éducatif qui doit commencer depuis la maison. Madame, ça va vers l'école. De l'école, maintenant, ça se propage. Et c'est ça, c'est malheureux. Nous, les parents, nous sommes très, en tout cas, mécontents les parents n'ont plus de pouvoir de contrôle sur leur, leur progéniture qui sont euh, ratés par les phénomènes sociaux. Et puis, par exemple, pourquoi pas des films ou des choses comme ça et que nos la nouvelle technologie oui la, nouvelle technologie de la mhm. communication et mhm. autres là de façon que parfois ce que nos filles connaissent même leurs mamans ne connaissent pas. Tanim directeur de la communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Êtes-vous euh, conscient de ce phénomène de prostitution des jeunes filles qui gagnent du terrain Effectivement, Madame Fatih Zakari, mhm. aujourd'hui, la prostitution et surtout la prostitution juvénile mhm. n'est insécrée un secret pour personne. Lorsque on regarde donc la ville de Niamey à une certaine heure, on a l'impression qu'on est dans d'autres pays mhm. où euh, la position a pris donc une certaine ampleur. Aujourd'hui, à Niamey, on se dit, nous sommes à 80 et quelques pourcents musulmans. Mais lorsque on emprunte certaines voies, bon, je vais me permettre donc de les indiquer parce que mhm. moi, en tant que travailleur social, c'est mon travail. Deux fois, quand vous êtes dans une institution, ce n'est pas uniquement les bureaux. Mhm. Il faut de temps en temps sortir, voir la réalité, euh, voir ce qui se passe dans la réalité. Mhm. Moi, des fois, il m'arrive à la descente de voir effectivement ce qu'on me dit. Est-ce que c'est réellement ça? j'en des fois je questionne même pour toucher donc, le problème, donc, euh, en tout cas, de euh, du Vraiment, on est très surpris de voir, par exemple, aux alentours de l'Assemblée nationale, quand on prenait donc euh, de l'Assemblée jusqu'à vers euh, vous avez l'impression que, mais on se pose la question, mais qui sont ces jeunes filles mhm. D'où viennent ces jeunes filles Pourquoi ils sont là Qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes filles Leur place n'est pas ici. Alors, à toutes ces questions, si on essaie de répondre, on va voir que la question de la et surtout la prostitution juvénile, c'est une question qui est polymorphe. Il faut l'aborder avec beaucoup de tact, mais aussi avec beaucoup de multisexualité. Donc nous, en tant que institution étatique, mhm. mise en place pour euh, la mise en œuvre donc, des politiques publiques. Et ces politiques publiques sont déclinées en des activités qui doivent euh, répondre aux aspirations mhm. légitimes donc, des peuples. Donc on a le devoir d'avoir un œil pour que ces questions-là soient une question en tout cas crucial et qui doit être pris en tout cas en, en charge au plus haut sommet de l'État. Puis les autres vont nous accompagner dans la résolution donc, donc de ces problèmes-là. Oui, alors euh, Tani est-ce que euh, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a eu à faire des études donc sur cette pratique et quelle est donc la tranche d'âge la plus euh, concernée par ce phénomène À ma souvenance, il y a donc des études sur la mendicité, des études sur l'immigration, mais sur la position des mineurs tels que telle pour le moment, euh, c'est une question qui, est soulevée. C'est vrai, euh, nos différents responsables ont parlé de ça donc au niveau au plus haut sommet de l'État, mhm. en conseil des ministres, et ça a été même l'objet donc euh, d'une communication pour interpeller donc les, populations. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup donc d'actions qui sont faites donc dans ce sens-là. C'est le rôle même donc de, nos différentes directions, direction donc de la portion donc de l'enfant, direction donc de la pension de, de, la défense des droits donc, de la femme, où on doit mettre l'accent sur donc, les VVG, on doit mettre l'accent sur la lutte contre ces genre de phénomènes. Pour ne pas vous interrompre, donc, euh, on, va donc revenir sur les actions donc, menées par le ministère un peu plus tard au cours euh, de ce forum. Fatouma Amadou, vous êtes donc chargé de protection sociale à l'association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention des crimes. Alors, euh, quelles autres raisons donc peuvent expliquer cette prostitution des filles mineures à, Niamey euh, Vraiment, on, on, remercie beaucoup la radio Kalangou, le studio Kalangou, de nous avoir donné l'opportunité de parler de cette question qui nous tient beaucoup à cœur car euh, l'ANTD est une structure qui existe depuis 20 années à Niamey. Ça fait 20 ans que l'ONG ANTD est là et elle n'œuvre que pour le bien-être de l'enfant et particulièrement de la jeune fille. Donc, ce problème de prostitution des jeunes, c'est une question à laquelle les gens doivent se donner la main. Vraiment, euh, le représentant des parents est là, qui est le doyen Maître mhm. Marie, qui, disait, qui me disait tout de suite que lui, il est un caméléon, il peut euh, intervenir partout. Mhm. Vraiment, il y a aussi l'État qui est là, il y a le sociologue. Les gens, les institutions doivent vraiment se donner la main pour pouvoir essayer de minimiser euh, cette pratique parce qu'elle existe réellement. Euh, donc, nous avons exercé plusieurs projets dans ce même cadre. Il y a eu un premier projet qui a duré deux ans, qui a réinséré donc, 160 enfants. Les plus nombreuses étaient, c'était les filles. Réinsertion professionnelle. Il y a eu encore un autre projet qu'on appelait 3P, qui a aussi duré deux ans, qui a réinséré presque 180 enfants, dont presque 100 filles et il y a eu ensuite euh, le projet Parle sur lequel j'ai intervenu pendant trois ans. Donc, euh, on a aussi euh, réinséré plusieurs enfants, dont à peu près 180 enfants. Hein. Donc, euh, et la majorité, c'était des filles. Il y a des garçons parmi eux, mais les filles étaient les plus nombreuses. Alors, quelle est donc la tranche d'âge selon donc vos études menées sur euh, la prostitution Les enfants, c'est très difficile, je vous dis. La première fois, quand moi j'étais sortie, parce que nous, nous faisons des maraudes, comme nous l'appelons, c'est nos termes qu'on utilise. Nous faisons des maraudes de nuit, c'est-à-dire les sorties de nuit mhm. sur les, les carrefours de Niamey, les différents carrefours de Niamey. Les tranches d'âge, c'est vraiment, il y a des enfants de 11 à 12 ans. Hein. 11, 12, 13 ans, 15 ans, 16, c'est vraiment le maximum. Généralement, les filles, c'est des filles de 12, 13 ans. Alors, qu'est-ce qui explique cela Bon, c'est plusieurs euh, situations. Parce que il y a des jeunes filles que nous, nous avons retrouvées dans la rue qui sortent juste parce que les, parents sont décédés et elles ne peuvent pas être prises en charge à la maison. Il n'y a personne pour les prendre en charge. Il y en a qui disent qu'elles sont sorties juste pour chercher de quoi payer leur étude parce qu'elles sont en classe euh, d'examen de, et elles ne veulent pas abandonner les études. Donc, c'est une situation qui est vraiment cruciale euh, une situation à laquelle, comme je l'avais dit, les gens doivent se donner la main pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'en tout cas, nous... Nous entamons donc euh, la deuxième partie euh, du forum consacré à la prise en charge du phénomène de la prostitution des filles mineures par l'État et d'autres organisations non gouvernementales. Monsieur Abouzed Meidouka, vous êtes sociologue. L'ampleur de cette pratique touche la tranche d'âge la plus sensible. Il s'agit donc des petites filles. Alors, à qui incombe la responsabilité Merci. donc, euh, la responsabilité revient euh, d'abord aux parents. Mhm. Elle va à l'État et aussi aux acteurs qui interviennent dans le domaine pour pouvoir euh, les acteurs surtout dans le domaine de la santé mhm. parce que c'est là où vraiment il y a un grand problème parce que les risques sont énormes à ces niveau. Et moi je pense bien que si il y a une éducation comme on le savait dans le passé et que cette éducation continue aujourd'hui, je pense que ça va être euh, une voie de solution, euh, une piste pour pouvoir résoudre ça. Mais mhm. moi, je vois aussi quelque part, euh, c'est laxisme des parents qui va dans le sens de donner une sorte de liberté aux enfants et que cette liberté va finalement les conduire au libertinage. D'abord, les jeunes filles qui sont scolarisées, on a l'habitude de, recevoir ou bien de mener même des études mhm. dans ce sens. Mais les témoignages recueillis à travers ça montrent à plus d'un titre qu'il y a ces caractères laxiste des parents, mais aussi eh, la misérabilité que vivent euh, ces filles mhm. et qui sont laissées à elles-mêmes et puis il n'y a pas ce contrôle des parents pour pouvoir les questionner comment est-ce que tu as pu te procurer de telle ou telle chose ou bien est-ce que ton ami là d'où est-ce qu'il vient il est l'enfant de qui en fait c'est tout un cocktail de, raisons par rapport à cette question. Et mhm. c'est ce qui complexifie la compréhension même des raisons véritables pour que ces filles se retrouvent dans ce champ. En dehors de ce caractère, euh, il y a également cette conception que les mineurs ont par rapport à la question de leur jeunesse, mhm. par rapport à la question de la vie. Et ça, pourquoi elles ont eu ça Parce que l'éducation n'a pas travaillé. Mais quand même, il y a cette précarité qui les prédomine et qui les lance dans ces pratiques. <laughs> Alors, maître Marie Adouda, l'ampleur de cette euh, pratique, euh, comme je viens de le dire, touche la tranche d'âge la plus sensible. Il s'agit donc des petites filles. Selon donc euh, plusieurs études faites par la structure, l'ANTD. Alors, à qui incombe cette responsabilité C'est avec un pincement au cœur que je vais essayer de relater ces faits. Parce que nous, nous sommes les éternelles victimes de cette situation. Parce que, étant parents d'enfants, Dieu merci, jusqu'à présent, aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des familles où les enfants sont bien éduqués. La responsabilité parentale est importante. Mhm. On doit savoir dans la maison qui est le chauffeur, et qui est le propriétaire de la, de la voiture, ainsi de suite. Donc, entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que il y a une complicité qui doit vivre et cette complicité doit être connue de tout le monde. La gestion d'une famille, c'est comme la gestion d'un service, mais plus importante que la gestion d'un service. Parce que la gestion d'un service, c'est normalement de bas en haut et de haut en bas. Vous avez Mais maintenant, toute cette responsabilité-là, aujourd'hui, elle est d'abord parentale. Vous, vous êtes dans une hutte en paille. Votre fille se promène avec un portable haut de gamme de 150 000, 200 000. Ça sonne, vous dites qu'est-ce qui sonne On vous dit, mais c'est le réveil que j'ai mis pour, pour étudier la nuit, alors que c'est quelqu'un qui lui a donné un rendez-vous. Vous avez suivi, on dit que la délinquance a commencé ici dans nos agglomérations depuis 11 ans. Une fille de 11 ans, quelle classe, quel niveau, s'il vous plaît Une fille de 11 ans, c'est une fille qu'on peut retrouver à l'école primaire. Et Prenons l'école, le système éducatif. Aujourd'hui, quand vos enfants, eh, nous avons sollicité que les enfants eh, soient en uniforme pour situer tous les niveaux. Par exemple, l'école primaire a une tenue spéciale, le collège, le lycée, ainsi de suite. Les, les universités, c'est des adultes. Mais aujourd'hui, nous devions savoir, parce que l'éducation de la maison, se poursuit jusqu'à l'école ou dans les macaranta et après dans l'armée et autres, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand vous allez devant des établissements scolaires, des gens qui déposent de petites filles, on doit savoir qui a déposé cette fille. Et une fille qui sort avec son uniforme de l'école, parfois elle a dans son sac à dos là, autre tenue. Le téléphone sonne, elle sort, vous, l'avez déposée à 8h moins 5. Eh bien, à 8h15, il y a quelqu'un qui appelle et maintenant qui vient la chercher pour l'amener à midi moins 5. Vous pensez que votre enfant a été à l'école, alors elle est partie dans l'école de la délinquance. Est-ce que vous comprenez euh, cela Donc, vous jetez la responsabilité sur Elle est d'abord parentale d'un côté. Et je vous dis de l'autre côté, madame, l'État est responsable. Pourquoi l'État est responsable C'est un décret. Même si ce n'est pas un décret, c'est sorti de la bouche des présidents de la République qui ont dit que l'éducation pour l'enfant nigérien est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, faites des tours dans des établissements. Vous allez trouver des enfants renvoyés à l'école primaire. Vous allez trouver aujourd'hui des, enfants, dont des filles renvoyées à partir de l'âge de, de, de, la sixième, de cinquième, de quatrième et même de troisième qu'on renvoie. On a dit que l'école est obligatoire. L'école n'a qu'à les conserver jusqu'à quel que soit alpha, il vaut mieux en tout cas, les faire redoubler, faire connaître au moins quelque chose que de les renvoyer à l'âge de Parce qu'on a dit que dans certains établissements, les élèves de 6e ne savent même pas écrire leur nom. À plus forte raison, comprendre autre chose. De l'autre côté, maintenant, il y a les tentations extérieures. Les tentations extérieures, c'est quoi Nous avons aujourd'hui des filles du secondaire ou qui sont dans le public ou qui sont dans le privé. Il y a des enfants qui disent privé ou rien alors que à notre période, l'école publique était beaucoup plus cotée que l'école privée qui ne reçoit que les rejetés de l'école primaire, de l'école publique. De l'autre côté, Vati Zakari, s'il vous plaît. Et, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand une fille va au collège ou bien elle va au lycée, il y a des filles qui font le petit déjeuner avec 1000 francs, 1500, 2000 poulets, on achète. Et cette fille, elle dit, mais moi, je suis plus belle je suis, je sais ce que celle-là sait faire. Pourquoi on la dépose toujours en voiture Pourquoi elle va casser avec 2000 francs Et moi, je prends les os de la, de, pentade ou du poulet, alors que moi, mes parents me donnent 200 francs, 150 francs. Maître Marie, il arrive que certains parents acceptent allègrement donc les retombées financières de cette pratique à de leur fille. Tout ça, c'est la pauvreté, Zachary. C'est la pauvreté du corps et de l'esprit. Comment tu vas dire à ta fille, bientôt Ramadan. Hein. Mais, attention, hein, mais de grâce, aujourd'hui vous avez une fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Vous dites, bientôt Ramadan. Votre fille, vous l'avez déjà mise au marché. Quatre garçons qui amènent sucre à votre fille mineure, ou bien même les choses. Vous allez, il n'y a pas la polyandrie au Niger. La polyandrie, c'est quand une femme a quatre maris. Mais euh, euh, comment la polygamie, c'est l'homme qui a quatre femmes, n'est-ce pas qui, a plusieurs femmes, n'est-ce pas Donc, la polygamie est autorisée au Niger, mais en, la polyandrie au Niger, vous avez votre fille qui a cinq prétendants qui amènent. À qui vous allez donner votre fille en mariage Ça veut dire que mhm. la fille est devenue en même temps une boutique. La vie est votre boutique et c'est ça qui vous permet de joindre le premier au 31. Donc, tout celui qui vous donne quelque chose, vous lui avez donné votre vie, c'est ça notre première définition où nous avions dit que la prostitution, c'est quand la travailleuse s'attend à une rémunération du travailleur. Est-ce que vous avez compris Donc maintenant, celui qui donne euh, un paquet de carton de sucre à votre vie ou quatre cartons, il, il ramène c'est vous qui allez lui dire Alhaji Wayazo, faut mais si le gars veut officiellement, il y, a des procédés officiels pour trouver une femme. Vous envoyez vos, vos, choses, on demande, et de surcroît, il faut protéger la fille à l'école. Pourquoi protéger la fille qui est à l'école C'est parce que quand, quand ma fille est à l'école, elle est en train de faire l'école, quand tu viens, je dis attention, moi, ma fille est en train d'être à l'école. Toi qui viens là, tu vas attendre qu'elle finisse l'école pour la marier ou bien tout de suite ou quelque chose comme ça. Tu vas me répondre. ce que... c'est vraiment important que, nous sommes obligés de, de, monopoliser le micro parce que le thème est très important et il demande beaucoup, en tout cas, d'explications scientifiques, politiques, culturelles, <laughs> parentales. Tanim Ousseini, euh, vous êtes donc euh, directeur de la communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Tout à l'heure, euh, vous avez suivi Maître Marie Douda qui disait donc que la responsabilité responsabilité incombe aussi à l'État. Qu'est-ce que vous en dites Merci bien, Mme euh, Madame Fatih Effectivement, euh, Marie euh, euh, m'a mis donc l'accord au cou. Donc, en tant que responsable au niveau donc du ministère, bon, mm. je suis aussi donc travail social. Mm. Donc, j'ai les deux chapeaux. Donc, ce qui va me permettre donc mm. de faire une analyse, holistique. Je reviens sur euh, ce qu'a dit donc euh, Maître Marie. Effectivement, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, la responsabilité d'abord incombe aux parents. Je reprends. En tout cas, euh, la répétition est pédagogique. Nous qui travaillons donc dans les différents services, des ministères et autres institutions. Ce sont donc nous sommes des travailleurs sociaux. Donc, nous devrons voir, nous devrons regarder ce qui se passe donc autour de nous, dans les familles, dans la ville, pour pouvoir prendre, en tout cas, étudier et alerter au plus haut sommet pour qu'on puisse prendre donc des décisions afin que les phénomènes soient résorbés. Mm. Et nous nous faisons, et euh, on s'est fait aider par donc les autres entités déconcentrées, les ONG mhm. et autres partenaires qui nous appuient dans la mise en œuvre de, nos politiques mhm. publiques. Nous, aussi, nous voulons, nous voulons que la solution soit d'abord communautaire. Parce que avant, on ne connaissait pas donc ce phénomène, le phénomène de possession donc juvénile. L'enfant est un bien communautaire. L'enfant, c'est le bien de tout le monde. Mais aujourd'hui, un enfant, une jeune fille, quand vous la rencontrez en ville, la fille donc du voisin ou de la voisine, vous, vous la sermonnez, mais quand vous arrivez à la maison, des fois vous avez des problèmes avec, mhm. avec, avec, ses parents. Donc c'est comme si l'enfant, c'est la propriété unique donc, donc, de ses parents. Et ces mêmes parents, du fait de l'analphabétisme ou donc du fait donc de, de la gourmandise, mhm. ces parents n'ont pas euh, ont complètement démissionné devant donc ces, ces jeunes filles-là mhm. ou ces jeunes garçons parce qu'il y a des parents qui n'arrivent même pas à sermonner, à gronder sur des enfants, tout simplement parce qu'ils pensent que ces enfants-là sont la source donc de leur vie. Nous, on a eu à faire donc des, petites enquêtes que des parents qui demandent à leur fille, mais euh, un tel a amené telle chose, comme un tel a amené telle chose, un tel mais toi, quelle est toi ta valeur parce que la valeur aujourd'hui, pour beaucoup de parents, est fonction de ce que la fille amène donc à la maison. Ça, c'est un élément. Euh, c'est vrai, nous, au niveau de l'État, on nous incrimine, mais nous, nous faisons partie de la communauté. Donc, il faut que les problèmes soient résolus d'abord à la base. Il faut mhm. qu'on revienne aux bonnes pratiques. Une fois qu'on recense ces bonnes pratiques, il faut les officialiser, il faut donc les, les donner une certaine vigueur. Et qui va donner cette vigueur C'est l'État pas des lois, pas des tests qui accompagnent mhm. ces parents. Parce que même des fois, même quand les parents veulent prendre certaines décisions, ils n'ont pas cette force, ils n'ont pas cette poigne de pouvoir appliquer. D'où l'État également, nous, euh, doit également les aider à appliquer, en tout cas de façon beaucoup plus pragmatique, les décisions qui viennent donc euh, du plus haut sommet. Alors, euh, quelles sont donc les actions menées par votre structure face donc à cette pratique Bon, que ce soit donc la prostitution juvénile euh, des mineurs ou autres, et tous les autres phénomènes, au niveau donc du ministère, il y a beaucoup d'actions qui sont prises mm. en partenariat avec les autres euh, secteur Parce que la question donc de promotion de la femme, promotion de l'enfant, ce sont donc des questions transversales et qui sont partagées avec les autres secteurs. On travaille donc la justice, avec l'éducation, avec les religieux, parce que tous ceux qui, mais aussi les ONG, avec tous ceux dont quand même leur domaine, en tout cas, s'apparente donc à nos différentes euh, politiques. Donc, on essaie donc de s'inspirer, de s'appuyer sur, les, lois que le Niger donc a ratifiées au plus haut sommet, mais aussi donc les lois africaines et nos textes ici au niveau national. Mm et pour pouvoir aider quand même les différentes populations à vivre de façon donc harmonieuse. Donc dans ce sens, il y a quand vous prenez par exemple la loi sur euh, la protection donc de la de la jeune fille, euh, la CDE, il y a la déclaration donc euh, et le plan d'action donc du 25 novembre donc 2010 qui protège qui lutte contre les différentes formes de prostitution. Mm-hmm. Il y a également avant on avait des CEGIP les services d'éducation, les services euh, donc pour euh, aider euh, ce sont donc des services pour aider quand même à la récupération, l'éducation, mm. mais aussi la formation, en tout cas donc des, des, jeunes délinquants. Mais aujourd'hui, c'est donc ces, ces services-là sont transformés en CEP, Mm-hmm. Donc, centre éducatif de prévention, protection euh, de, de l'enfant. Mm-hmm. Bref, au niveau du, ministère, on travaille en partenariat avec tous les secteurs intervenants dans le domaine parce que ce sont des questions qui sont transversales et il faut une synergie d'action hmm, pour pouvoir donc les résorber. Alors, euh, Fatouma Amadou, vous êtes travailleuse euh, sociale à l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention des crimes ANTD. Quelles sont les actions menées par euh, votre structure pour lutter contre cette pratique Merci Fatih. Donc, comme je l'avais dit au début, l'ANTD, elle, elle est là, elle, œuvre pour le bien-être de l'enfant en général et de la jeune fille en particulier. Donc il y a eu euh, plusieurs projets euh, auparavant et bientôt, Inch'Allah, il y a un projet qui un projet appelé mobilité intégrée. C'est un projet de trois ans et qui prendra en charge 200 enfants, dont 150 filles. Donc, euh, ce projet va concerner, c'est un projet concernant 15 pays de, de la CDAO donc, ici, au Niger, c'est euh, l'ANTD qui se charge du retour en famille de ces enfants avec des mesures d'accompagnement, bien sûr. Donc, euh, on ramène ces filles chez eux, euh, dans leur pays, avec des mesures d'accompagnement, des projets de vie. Comme quoi, par exemple Par exemple, si c'est les jeunes filles, il y en a qui, euh, généralement, c'est les, les, AGR qu'elles pratiquent. Mais euh, le projet, l'autre projet qui était terminé, on a eu des réinsertions scolaires, on a fait des réinsertions scolaires ici à Niamey et à Terra parce que nos zones les zones d'intervention du projet qui était terminé, euh, c'était par participation des enfants en Afrique pour un réseau de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Donc ce projet était intervenu à Niamey et à Terra. Il y a eu des réinsertions scolaires, pour des enfants, pour celles qui veulent retourner à l'école. Euh, généralement, c'est des, enfants de la classe de troisième. Hein. Euh, c'est elles qui se retrouvent dans la rue avec des problèmes. Elles veulent retourner à l'école, elles n'ont pas les moyens. Donc, euh, il y a la réinsertion scolaire et la réinsertion professionnelle. Donc euh, ce projet-là euh, qui va, qui a bientôt démarré parce que le projet a été, euh, donc elle, a commencé, mhm. il a commencé plus tôt. Donc ce projet va prendre en charge 150 filles. Donc n'est pas un petit projet. donc vraiment les activités sont énormes. Mhm. le projet vient juste de commencer. Il y aura plusieurs activités pour la jeune fille avec donc des mesures d'accompagnement pour essayer de la maintenir vraiment euh, sur la ligne droite. Mais est-ce que vous suivez donc ces jeunes filles, par exemple les jeunes filles retournées à l'école oui, effectivement, hmm. effectivement, il y a des suivis que nous effectuons. Pour qu'il n'y ait pas de récidive. Oui, oui, ces enfants-là, ils ont même, ils ont passé leur examen et ils sont passés. Donc, euh, ils ont réussi le, le, BPC et nous les suivons jusqu'à présent. Malgré que le, ce projet-là est terminé, il y a un autre qui est là nous effectuons des, des, des, suivis dans les familles et même à l'école. Nous avons des contacts avec les écoles dans lesquelles ces enfants-là sont restés mhm. et on continue toujours à les suivre, à les contacter, à aller même sur le terrain pour voir, pour toucher du doigt euh, le problème. Donc euh, vraiment, euh, l'ANTD essaye avec les moyens de bois et les partenaires, c'est l'État comme l'avait dit l'autre, et vraiment plusieurs structures par exemple les religieux, quand nous entamons toujours l'exercice d'un projet, nous, nous, organisons des rencontres avec euh, les oulémas, les l'État et vraiment euh, plusieurs structures. Est-ce qu'il y a des insuffisances dans, cette lutte que vous menez Bon, les insuffisances, il n'en manque pas mhm. parce qu'il faut des gros moyens. Il faut vraiment des gros moyens pour euh, essayer de résoudre cette pratique. Euh, nous l'avons euh, écouté, le sociologue il a parlé et l'État aussi a parlé à qui vraiment euh, nous, avons, l'autre, les parents d'élèves ont jeté la responsabilité. Donc, euh, c'est vraiment énorme. Abou Zayn quelles conséquences l'exercice de ce métier peut avoir sur la fille ainsi que sur la société Les conséquences euh, sont énormes autant que les risques. Parce que d'abord, c'est un phénomène au niveau de la santé qui essaie de rehausser les défis dans le domaine de la santé. En analysant le phénomène de la profession des mineurs, ça peut ça peut être utilisé comme un indicateur qui renvoie à l'efficacité des politiques publiques dans ces, dans ces domaines. En prenant également euh, toujours cette question euh, de profession des jeunes filles, on peut capter n'est-ce pas, mhm. le degré de la vulnérabilité de la population, le degré de la précarité, de la pauvreté de la population. Et également, c'est tous ces facteurs qui peuvent conduire euh, à des conséquences très néfastes parce que qu'au niveau de la santé, les, les, les problèmes que quotidiens au niveau de la santé ne sont pas encore résolus et d'autres s'y ajoutent, ce qui va euh, euh, élargir euh, le, paquet d'activités qui peuvent être fournies à ces niveaux. Et le phénomène de la protection de la jeune fille, je vais parler aussi dans le domaine de la prise en compte du genre. Ça peut renseigner ou bien être utilisé pour pouvoir capter mhm. les niveaux de la vulnérabilité entre les filles et les, et les garçons. Ça peut expliquer la déscolarisation au niveau des filles et au niveau des garçons. Mhm. Mais imaginez lorsque cette, cette activité qui est soutenue par la précarité des familles, qui est en vain ou bien qui essaie de, de, prendre de l'ampleur à travers euh, l'accès que les jeunes filles là ont sur les réseaux sociaux qui est une tribune populaire où on peut se renseigner positivement tout comme négativement. Mais ça nous renvoie à l'exigence d'une nécessité de pouvoir intervenir très vite et efficacement dans ce domaine. C'est ce qui me donne l'idée de pouvoir euh, suggérer à ce qu'il faut une cartographie des sites, des lieux où se pratique cette, euh, cette pratique néfaste, bien sûr. La troisième et dernière partie du forum porte sur les voies et moyens pour mettre fin à la prostitution des filles mineures. Marie-Mal peut-on mettre fin à la prostitution, notamment au niveau des jeunes filles mineures En tout cas, même si nous devions mettre fin à cela, il nous faut en tout cas verser beaucoup de sueur sur le front dans la mesure où, quand les dés sont lancés, il est difficile de les récupérer. Aujourd'hui, moi, religieux musulmans. Niger, 97-98% se considèrent musulmans. Aujourd'hui, moi je pense que ce phénomène est annonciateur de la fin du monde. Faites vos valises. C'est quand la fin du monde est définie dans le Coran par quoi Quand les jeunes quittent la campagne pour venir gonfler les villes. C'est un des paramètres qui signale la fin du monde. Quand les, les parents n'ont plus de pouvoir sur leurs enfants, c'est le thème de ce matin. Ça veut dire que les enfants ne respectent pas les parents. Ça fait partie des paramètres coraniques de la fin du monde. Quand on prend du sable pour vendre, ça fait partie des, des, critères coraniques de la fin du monde. Tous ces critères sont ces critères que nous vivons. Sinon, comment comprendre Parce que aujourd'hui, quand je vois Fatouma, quand je vois Fatih Zakari, quel est l'homme qui, en voyant celle-là, ne sait pas si elle est mariée ou bien si elles sont mariées ou célibataires, va s'adresser à celle-là avec cette tenue-là. La tenue est fondamentale. Mhm. Il y a des tenues qu'on porte, je suis prête à tout. Tu vois, toi tu vois. Si tu gares auprès d'une, tu ne peux pas garer devant tout le monde parce que tu peux, je crois, recevoir des paroles qui vont te décourager durant toute ta vie. Mais quand la fille elle-même, elle fait du kilari c'est quoi le kirari C'est le lancement defi gani isa na ina abokin c'est la, tenue qui définit cela donc la tenue est déjà un critère fondamental l'impunité de l'état il y a un décret de Kunche qui a l'article qu'on appelle 219 tout celui qui engrosse une fille à l'école. D'abord, il doit la marier et ensuite, lui, il va aller en prison. Il va marier cette fille-là à cause de était secrétaire général des syndicat national. maintenant, il n'y a plus de beaucoup de mes cadres ont été en prison. Pourquoi aujourd'hui l'Office central de répression des trafics illicites des stupéfiants, si on montre des malfrats, voilà des gens qu'on a attrapés avec des faux billets, mm-hmm. voilà des gens qu'on a attrapés avec des drogues. Pourquoi ne pas montrer ces malfrats-là C'est l'une des solutions à vous. Quand on prend des délégants dans la rue ou quelque chose comme ça, la police et tout ça, là, les communes sont interpellées. On n'a qu'à les montrer. Voilà, les gens diront, ça c'est la fille à tel, ça c'est le garçon à tel, ainsi de suite. On aurait montré. Et en montrant à la télé, je crois que on pouvait trouver en tout cas la solution à cela. Et surtout, surtout, nous pensons à ce décret, moi j'appelle ça décret, de maintenir l'enfant nigérien, le scolaire nigérien, jusqu'à l'âge de, de 16 ans. Il faut penser à l'applicabilité de ce décret verbal ou écrit. Avec cela, je crois que nous pouvons essayer de trouver la chose. Mais mon appel aux enfants, c'est quelques secondes. Mon appel aux parents d'enfants, c'est que si vous, vous n'avez pas pu éduquer votre, progéniture d'une manière positive, mhm. ce n'est pas à quelqu'un d'éduquer. Quelqu'un que vous avez mis au monde avec quelqu'une que vous avez épousée pour amener dans votre maison, qui est la mère de vos enfants, et éviter surtout cette polygamie où vous avez quatre femmes, quatre femmes, toutes dans une maison de location, une à Lazare, une à Guadeloupe, une à l'aéroport et une à, à, comment s'appelle, de chez les Donc moi je crois que <laughs> ce c'est pas intéressant. Gardez vos enfants et vos femmes. Si vous ne pouvez pas rester avec une femme, deux femmes, gardez-les dans votre cours si vous n'êtes pas capable la polygamie n'est pas obligatoire, Fatma Amadou, alors rapidement, quels sont donc les défis majeurs qui restent à, relever euh, pour venir à bout à ce phénomène En tout cas, euh, nous sommes là-dessus. Euh, nous appelons les partenaires techniques et financiers, les, les, les, bailleurs mm. et surtout l'État à nous aider à relever ce défi car notre structure est l'une des structures qui existe depuis plusieurs années et qui œuvre pour le bien-être de l'enfant en général et de la jeune fille en particulier pour que nous puissions vaincre cette pratique néfaste pour notre société. Mm-hmm. Alors, euh, Tanim directeur de la communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, quels sont les défis majeurs qui restent à relever pour venir à bout à ce phénomène Bien, Maintenant que euh, euh, on a soulevé les livres, comme on l'a dit, mhm. on dit que tout problème s'analyse de par, ses origines. Euh, maintenant, il nous revient au niveau de l'État, de façon sectorielle, mhm. de voir de façon scientifique quelles sont les causes de ce phénomène. Mhm. quelles sont réellement les conséquences sur, les populations et sur, donc, les jeunes filles Maintenant, quelles sont les solutions à proposer mhm. Il est bien vrai, beaucoup de choses ont été faites par l'État, les ONG et les autres partenaires, mais je pense que euh, cette situation, cette nouvelle situation de la prostitution des mineurs nous interpelle et nous devrons euh, nous asseoir, s'il le faut, mhm. la même manière qu'on a fait avec les autres phénomènes, la manicité mhm. et les autres formes de délinquance, avec ces phénomènes donc de possession donc des mineurs, il faut, s'il le faut, un forum ou euh, tout autre quand même colloque qui va nous permettre euh, de façon multisectorielle de réfléchir pour trouver les voies et moyens pour résoudre ce problème. Parce que l'avenir de tout un pays, de tout pays repose sur la jeunesse. Si la jeunesse, surtout les jeunes filles, euh, sont parties, la jeunesse est partie donc à Lambeau, alors oh, quelle est donc l'avenir du pays mm-hmm. Donc, euh, vraiment, euh, je vous remercie, euh, en tout cas pour, euh, pour ce genre donc, de débat, il faut mm-hmm. les perpétuer. Mm-hmm. ça permettra quand même donc d'échanger et ça, ça va nous interpeller. parce que c'est en nous interpellant qu'on aura, qu'on saura vraiment que quelque part, nous sommes en train de pécher et on va voir donc qu'est-ce qu'il faut faire, quel plaidoyer il faut faire, si on n'en a pas les moyens, pour pouvoir résoudre donc, donc les phénomènes. Alors, Abou Zaid Medouka D'abord, je disais tantôt tout à l'heure, il faut cartographier les sites, là où ça se pratique. on n'est pas sans savoir qu'ici à Niamey, il y a un quartier qu'on appelle exclusivement mineur, mineur d'eau. Mhm. C'est exclusivement des mineurs. L'histoire de monsieur, j'ai 15 ans pour montrer un peu que la fille est bien euh, dressée ou bien euh, euh, quand même elle a, les qualités qu'il faut. Quand on se rappelle également dans les écoles, les filles de 6 qui disent avec 25 ou bien je ne sais pas, c'est 100 francs, tu touches là où tu veux. Ce sont des questions qui doivent interpeller tout acteur du développement et tout acteur euh, euh, qui a une sorte, une quelconque responsabilité dans ce, dans ce domaine. Je pense qu'il faudrait également répertorier ou bien euh, engager une étude pour pouvoir repérer les proxénètes, mhm. c'est-à-dire les intermédiaires là ou bien qui ont des réseaux. Le réseau de trafic humain est là. L'accès également aux produits contraceptifs des jeunes filles, c'est quelque chose qui, qui favorise également leur leur, ces filles-là dans ces, dans, ces, dans ces activités. Également, il, faut interdire l'exposition, je voudrais dire, des, des produits, euh, des afro mhm. par les euh, ben, vendeurs ambulants qui facilitent l'accès n'est-ce pas, et pouvoir euh, provoquer à, certains, à certaines difficultés sanitaires toutes ces questions sont des choses, euh, n'est-ce pas, qui peuvent euh, contribuer euh, d'une manière ou d'une autre à réduire ces phénomènes. je pense que les solutions sont énormes et, je pense qu'avec l'État et l'étude approfondie par rapport à ces questions vont contribuer à résoudre les problèmes. Nous sommes donc au terme de ce forum sur la prostitution des filles mineures à Niamey. Comment mettre fin à cette euh, pratique Le phénomène de la prostitution des jeunes filles à Niamey est une réalité. Il est donc nécessaire pour l'État et la société toute entière de prendre davantage conscience de cette pratique qui n'honore pas notre pays et euh, qui va à l'encontre donc des valeurs et mœurs. Nous étions en compagnie de Tanim Ousseini, directeur directeur de la communication au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Fatouma Amadou, travailleuse sociale à l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention des crimes ANTD. Abou Zeida Meidouka, sociologue et maître Marie Malan Daouda, parent. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la technique Amina Hassan. Merci à nos invités. Le programme continue sur le studio Kalongo.